Parlant de l'historique de cette euh, migration, je dirais que la question de la migration de la commune rurale de Kourni n'est pas un fait nouveau. Depuis les années 70, nous avons connu des vieilles femmes qui partaient à Arlit, cité minière, pour euh, travailler dans les maisons des ouvriers. C'est de là que les jeunes femmes aussi leur ont emboîté le pas. Et à partir d'Arlit, les premières femmes originaires de Edwa dans la commune de Saoni avaient découvert pour la première fois la ville de tamaraset en Algérie. Donc de retour, ils étaient retournés avec des matelas, des ustensiles, des cuisines et des objets vraiment de c'est ce qui a motivé les jeunes femmes qui étaient à Arlit à découvrir pour la première fois donc la ville de Tamaracet ou bien l'état même de l'Algérie. C'est de là que l'information a été répandue ici dans le département de Kantier et que vraiment nous avons constaté il y a eu une recrudescence donc de départ de ces femmes avec enfants qui sont en partance donc vers l'Algérie. Donc voilà en termes d'historique ce que je peux dire c'est que les premières femmes là qui sont parties c'est elles qui avaient informé celles qui sont en terre natale que voilà ce que vraiment les exodantes là trouvent en terre algérienne et jusqu'à arriver à un moment où le drame du 27 septembre s'est produit, drame au cours duquel 92 de nos compatriotes avaient trouvé la mort. Les zones les plus concernées, quand je donne la synthèse des 43 convois qui ont été expatriés de l'Algérie, je crois que la statistique nous donne la commune de Daouché en tête, suivie de la commune rurale de Sauni et en troisième position la commune rurale de Kourni. Et dans la commune rurale de Kourni, nous avons un certain nombre de villages qui sont beaucoup plus affectés, tels que Gagéré, Birjibaba, Dunou, Meikazayi, Yelwa et bien d'autres villages parce que à un certain moment, au moment où donc le départ était en vogue, quand j'ai effectué une mission dans un certain nombre de villages, j'avais retrouvé 1119 personnes qui étaient déjà en exode dans les villages de Makirawa, Dadinkowa, Kourni, Birjibaba, Dundu, Mekazegi et Bagal. Donc les sept villages-là, c'est eux qui totalisent les 1119 personnes qui sont en partance vers l'Algérie. Mais une seule exception qui n'est pas de moindre, le village de Sabar Hausa, qui à la date d'aujourd'hui n'enregistre aucune femme qui est partie en exode en Algérie. En dehors de village-là, tous les 42 villages administratifs que compte la commune rurale de Kourni sont concernés par ce départ. Bien, ce phénomène d'exode dit de cantier, c'est un nom, mais quand même, nous avons constaté que lors des rapatriements, quand le convoi arrive à la préfecture, donc les autorités administratives avec les élus locaux en association, donc nous allons vers ces expatriés-là pour faire leur recensement. Nous avons constaté que nous, il y a même des expatriés du département de Magria, de Tessawa, du département de Mayaï. Nous avons même vu des gens qui sont de Niamey, au niveau de la base d'Agadez lors de leur identification, ils disent qu'ils sont des Kansi.